li panneau la. ban panneau la. panneau de signalisation la. waaw panola panneau la tamit ah. panneau kii la panneau la de wala. panneau bi lu may war ci code la route man nag dama jàngul nag soxna si. jànguma de. Ah, am nga permis. ah waxatuñ loolu. wala dañ ko lijjanti. waaye bi dañoo tere. auto frigo euh, camion frigo voilà là euh, c'est un panneau de signalisation de j'ai un peu oublié. pas de souci. Voici la réponse au panneau d'indication. Stationnement interdit. Sens interdit à tout véhicule. Accès interdit au camion. Panneau d'indication téléphone. Accès interdit aux personnes non autorisées. Finalement, ci sama gars final question réponse vidéo gars. Wa trophée bi haut la main on se donne rendez-vous une prochaine fois si un endroit si un chauffeur Inch'Allah. mais surtout faites attention aux consignes de sécurité sur la route c'est le réflexe am assurance à bientôt